Aujourd'hui, nous allons le recevoir, mesdames et messieurs. Libasta, dis va que tu vas bien, tu es positionné là, ça va, tout va bien Parfait, bro, en forme. Et toi, ça va Ouais, moi je vais bien. Je pète la forme comme on dit. Tout le monde est en forme, bro. On est là un peu stressé avec le nouveau clip. On est derrière, on suit. Sinon, ça va dans l'ensemble. Et tu sais que le temps est contre nous, non sur Ouais. On va aller droit oui. D'accord. Hier, tu disais que tu as commencé la musique ici au Niger. On a tous entendu. Ouais. Avant Fadouma, il y a Zainab Abou. C'est ouais, Il y a eu Abu. Abou. Explique-moi un peu l'histoire de Zainab Abou. Qu'est-ce que tu entends par Zainab Abou ah, Bro, par Zainab Abou, c'est une philosophie, une façon de chanter pour toutes les femmes nigériennes. C'est un peu ça l'histoire, la philosophie. D'accord, parti. Abou, ma Abou, zainabu abu to ni fama abu ne deo komi na yi miki dangane ki hankuri Merci Limaster Raja qui faisait la voix Eh bien c'est un son moi personnellement que j'ai kiffé parce que ça parle de toutes les femmes stars. Alors mon frère, parlons de Fadouma sur cette émission pour permettre à tous ceux qui nous kiffent, qui n'ont pas kiffé le son, d'en savoir. Qui right, Fadima. Fadima, c'est une vraie histoire. Fatima existe. Et l'histoire, c'est pas moi qui ai vécu l'histoire directement, mais c'est un ami, un frère de sang très proche qui est Adali. Adali. Ok. Voilà. Alors, puisque tu m'as donné envie, n'est-ce pas, d'écouter Fadima, tu vas non seulement me faire plaisir, mais aussi faire plaisir à toute la jeunesse mondial, ça marche mondialisé. fadima tuba burwanta kada kowa a rayuwa ba ta fushi kowa in kai mata laifi ta murmushi in kai mata ɗaci ta ma da zaki yar kirki kaf kina mata halin fadima wallahi yeri yeri yeri merci Lima Ando de Fatima. On va parler cette fois-ci de cette deuxième saison de l'artiste. Parce que Fadouma, moi c'était ici, Zéna Babou, c'était ici. On va parler de Je vais t'aimer de l'artiste. Je vais t'aimer. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions à travers cette vidéo. Parlons de ça. C'est pour dire quoi Alors là, je dépose la guitare, bro. je vais t'aimer. C'est l'amour éternel que je suis en train de chercher. C'est l'image que je fais de, de, cette femme avec laquelle j'aimerais passer le restant de mes jours, en fait. Chante-moi je vais t'aimer. En acapella sans la guitare, parce qu'en fait, les paroles euh, elles percent. Hmm, mon cœur, c'est toi désormais, c'est le pour qui je vis. Mon amour, je vais t'aimer même quand mon cœur se teigne. kinsammo sohihata jeche kete keche zinarihata kete mata da tauraru kekinga mata. kin ga ba za mu le mec, il me tue. Nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique. Nous allons faire un zoom, mais un gros zoom sur l'actualité. Parce qu'on t'a sollicité sur cette émission pour parler du son, du buzz de la semaine, ce son qui est kiffé par les jeunes du Niger, les jeunes du monde. On va parler de ma vie. Qui t'a touché Qu'est-ce qui se passe Explique-nous un tout petit peu je vais me dévoiler un peu, bro. Dis-moi. Tu dis, tu sais, on dit en musique, l'inspiration est une solution spontanée d'un problème longtemps médité. Tout à fait. Alors, j'ai traversé des choses, j'ai vécu des choses. Je suis arrivé ici au Luxembourg, je me suis battu pour arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. J'ai eu des gens qui ont été à côté de moi, qui m'ont poussé, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, mais qui par après, ces mêmes personnes se sont transformées en des loups et, ils ont essayé de me faire quitter le, chemin, de me faire changer de route. Bro, quand je dis ma vie, c'est ma vie, je la vis comme je l'entends. Et en même temps, quand je, vis de cette, quand je parle de cette vie, je parle de ma musique. Ce qui m'a Surtout touché, tu vois, ça fait un bout de temps, je rien lancé, je rien sorti parce que avec les études, le boulot, le virus qui est arrivé, il n'y avait pas d'activité, c'était compliqué. un peu ma vie, bro. C'est pas du tout chose facile. À chaque fois, tu as des gens qui sont juste à côté, qui essaient d'une manière ou d'une autre de t'agenouer, D'un cas, garim, c'est à l'amour. Un cas, tu as à fata. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tes femmes, à l'endroit de tes frères, à l'endroit des autorités en charge de la culture pour qu'ensemble nous puissions J'ai un message, mais plutôt une prière, bro. Ah. C'est une prière de soutien à l'endroit de toute la jeunesse nigérienne et de tous les Nigérians en général. Je demande à ceux qu'ils accompagnent tous les artistes et qu'il m'accompagne justement l'artiste que je suis dans mes œuvres et dans le chemin que je suis en train de faire, dans la carrière que je suis en train de parcourir. Ali Masta est disponible sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Je demande aux jeunes particulièrement et à toute la population nigérienne d'aller s'abonner, commenter, réagir, partager et c'est ainsi qu'ils vont nous donner cette visibilité et qui vont nous amener à ces stades dont ils rêvent de voir des artistes nigérians. Ainsi parle le master dans un franc parle.